Il est pas loin l'interception en plus américain Dundao. Oh la mauvaise passe encore une fois. Et à chaque fois qu'il y a une perte de balle d'un côté, c'est explosion de joie sur le banc adverse. On a l'impression que, que, que, chaque point maintenant est vital. Et sur ce genre de match, il est important d'avoir un meneur qui a de la bouteille. Parce que Dundao, il est doué. Ça, c'est pas le sujet, il est doué, mais sur ce genre de rencontre, il faut un meneur qui a de la bouteille, qui est capable d'impulser un tempo, calmé, accéléré ou pas. C'est un 98, Childi Dundao. Joueur d'avenir, à hein, n'en pas douter de cette équipe de Petro. Joueur de présent aussi quand même. Elmas Bailly. Naja. Pour Courdou. Ah c'est dommage, encore une fois, que de balles perdues. Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de panier. avec le scoreur fou, Lionel Paolo. <laughs> Personne ne peut lui résister aujourd'hui. Quand tout va mal, donnez le ballon à Paolo. Et il s'occupe de tout. Un peu moins de 7 minutes à jouer. 59-58 dans cette partie. Naja, elle ah, mais que de ballons perdus, que de ballons perdus côté salé. Attention ne pas le regretter. il va aller jusqu'au bout, Carlos Moraes, mais il est en échec aussi. Il est un peu en panne hein, euh, depuis, le retour de, la pause, de la mi-temps. El Massini. signé. Naja, faut donner le ballon au vétéran. Voilà, Nacha, Alpagne est plus sa faute. Très très bien fait sur ce cut dans la raquette de Naja. Et c'est lui qui prend le rebond défensif et c'est lui qui vient terminer l'action. Et encore une fois, <laughs> ces images, ces images. On va pouvoir faire une compile à la fin. Même ceux qui n'auront pas joué ont été fatigués à force de sauter comme ça. L'action à 3 points pour Naja qui demande un remplacement, qui eh n'en peut plus. Eh oui, il y a le capot qui fume là. Hein. Il a tout donné. Il a Sur les vieux... il a besoin de souffler. Sur les vieux modèles de voitures comme ça, le moteur est incroyable. <laughs> Richards en échec. Ah, il n'ose plus aller au contact là, Richard. Mais par contre, il, ne euh, le peut plus, vraiment. Il est très fatigué, Naja. Bon, Nieto demande un temps mort, ça va lui permettre de souffler, Naja. et Massini. Allez. Poser un bon système, trouver un panier facile. Pourquoi pas ici, finalement, Cipriano avait tout compris. Et on rappelle Adam El Ghazi. Excellent passage. Excellent passage d'Abderrahim Naja qui mérite d'aller souffler un peu sur le banc. Il a vraiment, vraiment tout donné. En vrai chef de meute là. El Ghazi au physique face à ouais, Richard Courdou à trois points pourquoi pas sûrement pas il s'excuse mais ouais dès sa prise d'impulsion on a senti que le ballon était trop court il faut shooter avec les jambes eh oui on le dit on le répète la main ne fait que terminer un mouvement qui part depuis les appuis il s'en veut, hein. Sofiane Courdou. « 48 à jouer dans ce match très crispant. Sauf pour nous. Ah non, nous on se régale. Hein. Depuis le début d'ailleurs, on se régale. Oh, depuis le poster de, cet homme-là, de Gonçalves. Alors, Richard, la prise à deux, on a ouvert la ligne de fond. Ah, pour une fois, il nous a pas tenté un fadeaway, il aura deux lancers francs. Et pourquoi Parce que Naja est sorti. Il peut aller, <laughs> il peut aller en dessous maintenant. El Ghazi qui n'est pas du tout, du tout, du tout. C'est le même joueur. Ah, c'est pas du même tonneau. attention à pas comparer euh, la El Ghazi à hein. Attention. Hein. C'est la quatrième pour El Ghazi. Attention. Ah oui. El Ghazi quatrième faute. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ils ont toujours Jefferson sur le banc qui n'a quasiment pas joué aujourd'hui. Hein. On parlait de sa mobilité, mais euh, pour l'instant, sa mobilité, elle est assise sur le banc. Ils ont Jefferson, ils ont Azuka. Ils ont Azuka aussi, bien sûr. <laughs> Regardez. Et pendant ce temps, Stoglin, se pose pour venir dans le money time peut-être. Et on voit un des, assistants qui est en train de mettre du vent <laughs> sur Naja. c'est plus que ça fume là. C'est un volcan. On fait refroidir un peu le moteur. <laughs> Antoine Spot, ça, c'est bien Attention, Cipriano qui a fait sauter Rachel James. Et ça tombe oh. dedans. C'était Gonçalves, c'était pas Cipriano. Oh, celui-là, il fait mal. Et derrière, c'est Cordoue à l'expérience qui va provoquer une faute de Lionel Paolo. Et c'est la troisième d'équipe. Et c'est la quatrième aussi de Lionel Paolo. Voilà, il a bien soufflé, il revient dans le Money Time. Terence Stoglin. Oh, c'est un money, Time de 10 minutes, Malik, depuis le début du quatrième carton. Allez, on fait, entrer de la taille aussi. Johnny Pedro qui revient. à la place de Paolo. Qui est, qui embêté dans ce match. Johnny Pedro qui n'a pas l'impact qu'il a pu avoir dans les autres rencontres. El Ghazi est-ce que c'est compliqué Ce shoot, mais ça rentre ah. Alors là... Ah, comme je le disais, avec ce garçon, c'est tout ou rien. Oui, oui, c'est vrai. Il a atteint talent fou. Le jour où il arrivera à le canaliser, ce garçon, ça sera un joueur énorme. Ouh, le ballon qui lui a échappé là. Et encore une fois, c'est Johnny Pedro qui nettoie le rebond. Terrell Stoglin, attention, on va pas lui laisser un, un millimètre. James à trois points. Et le rebond, assez ah, dommage, assez ah, dommage. Il n'est pas récompensé là. c'était un bon tir pour une fois de Rashad James. Quel combat en tout cas. Et forcément, il oh il peut pas défendre sur lui, oh Quelle action de Johnny Pedro. Reverse deck par ligne de fond et il vient écraser ce dunk parce que ça fait deux fois cette action. Ils, obligent le switch et là c'est un injouable. Regardez. Il part sur sa main droite. Oh et ce reverse dunk énorme pour Johnny Pedro. Le Pedro de Luanda ne lâche pas l'affaire non plus. C'est une grande bagarre qu'on a suit aujourd'hui entre deux équipes euh, qui connaissent l'enjeu de ce match vous gagnez, vous continuez la vous continuez l'aventure. vous perdez, ben vous rentrez à la maison et c'est très pénible. On vient de voir euh, Joan Pedro faire un, smatch smash euh, euh, reversible, passant sous le panneau et smatchant, permettant à son équipe de prendre trois petites longueurs, donc 66 à 63. Un tir prisé de trois points permettrait à Salé de revenir, mais il n'y a pas encore le feu. On est encore à à peu près 4-5 euh, minutes de jeu à jouer. Euh, énormément de temps pour revenir et recoller normalement, euh, même avec des tirs à deux points. L'équipe de AS Salé est toujours dans le match et nous verrons si cette partie va continuer à nous donner ce suspense que nous vivons depuis la moitié du troisième carton où les deux équipes sont à couteau tiré. Euh, l'équipe qui sera le, la plus mentalement forte et qui ne tremblera pas euh, gagnera ce match à mon avis, sauf euh, s'il y a énormément de fautes. On voit Masai Ujiri, président de Basketball Operation de Toronto, qui est présent ici à, à Kigali. Et on espère qu'on pourra l'avoir aussi en interview euh, sur notre euh, sur la chaîne de la Voix de l'Amérique. Euh, donc on retourne au, direct. Et là ça donne de la voix, à côté fan de, de Petro et ça défend. Ça défend dur, dur, dur. Et là on a un duel intéressant entre Stoglin et Carlos Moraes. Le ballon est perdu. Il faut qu'il revienne. Gonçalves qui fait un sacré drôle de match aussi. Ah, bien ressorti. Antoine Scott à 3 points. Il fait mal ce shoot à 3 points d'Antoine de, Scott. Encore une fois, il y a eu un oubli dans la défense de Salé. Ça, c'est pas une belle image là. Ça, c'est pas une belle image. Naja et Stoglin là qui se crient dessus. Ce n'est pas le moment. Ceci dit, euh, il a un peu euh, vraiment forcé hein, sur la possession précédente mais surtout les Angolais qui ont retrouvé de l'élan collectif. El Masbahi pour répondre, pourquoi pas, c'est long. Non, c'est précipité comme tir. Attention, attention à pas lâcher maintenant. Bah, Maïk. Ils, craquent, ils sont en train de craquer. Visiblement, hein, j'ai l'impression qu'ils sont en train de craquer. bon attention, nous nous avançons pas trop, ils ont de la ressource. Bah, je le leur souhaite. Il va falloir ramener. Euh, là, il y a encore un mismatch. Voilà. Oh, encore un eh poster eh oui. on cette fois-ci Et ça, ça lui fait plaisir, ça. Et là, le duel à distance, ça lui fait plaisir. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. In your face, baby. Quelle image, quelle image de Ryan Richards sur Naja. La Lego en prend un peu. À 3 minutes 14 de la fin de ce match, on voit une équipe euh, de Petro de Luanda qui prend une avance, euh, on pourrait dire, euh, euh, relative euh, qui la met un peu à l'abri, 71-63. Euh, il va falloir quelques bonnes attaques de cette équipe de Al-Saleh, suivies de très de, deux ou trois arrêts sur le plan défensif pour leur permettre de recoller à la marque, parce que s'ils prenaient, s'ils prenaient plus de points, ça risquerait de de, leur, de, leur, de leur coûter cher. Donc euh, à 3 minutes 14 secondes, on voit cette équipe de Salé qui remonte sur le plancher de la Kigali Arena. Euh, nous allons suivre euh, avec beaucoup d'engouement le reste de cette, euh, de cette partie qui est très très très importante. Donc nous repartons dans ce direct. le ballon est à l'AS Salé qui va, qui va engager dans quelques secondes. James est battu sur le mismatch. On le trouve ici James, c'est défendu par Antoine Scott. retrouver Attention parce que Naja va vouloir répondre. Retrouver de la clarté, de la fluidité dans leur jeu offensif les Marocains. El Ghazi. Attention, pas loin de la perte de balle encore une fois à Terre ah, bien très très mal embarqué. El Ghazi au-dessus de son défenseur, le rebond. Ah, et on lui rend la balle. Et voilà, ah, c'est répondu. Ça y est. Mais pourquoi chercher à sauver un ballon comme ça Autant le laisser sortir. Est-ce que vous avez vu encore une fois Naja lui a répondu. Alors c'était pas un poster, mais dans le duel à distance, ah, ça bah, fait du bien. Gonsalves, ah, si encore Gonsalves qui aura fait un très très bon match. monstrueux Gonsalves. Oh oh oh oh oh oh. C'est la cinquième pour El Ghazi. Il n'aura pas fait que de bonnes choses El Ghazi aujourd'hui. la cinquième faute pour El Ghazi. Il le, sait. il le sait direct. Il, le, sait. tout de suite. Alors Sofiane Cordou va revenir. Écoutez, Sofiane Cordou aujourd'hui a été. Euh, qu'il ait assez de ressources pour finir le match. Sofiane Cordou, 2 minutes 29. Sofiane Cordou a été beaucoup plus intéressant Ghazi sans vouloir envoyer euh, ah faire injure à, à ce jeune joueur. C'est pas le même niveau. El il a, il, a, sa carrière devant. Cordou, il est sur la fin. Fin 95, Ghazi 26 ans. Et Gonçalves qui continue sa moisson, il est admirable aujourd'hui. C'est peut-être celui qui a été le plus régulier aujourd'hui. Sofiane Cordou, Naja, euh, El font partie de l'équipe qui a été championne d'Afrique des clubs en 2017. S'il vous plaît. <laughs> en tout cas, ça fait plus 8 dans cette partie et ça va être désormais un peu compliqué. En tout cas, Antoine Scott, il se bat sur tous les ballons, il passe la moitié de son temps par terre. Nouveau coup de sifflet pour la quatrième faute d'équipe. Et, on voit Terrell Soglin se retourner vers vers le public. Attention, parce qu'il n'a pas eu que des gestes gentils pour le public dans le passé. Hein. Je parle pas d'aujourd'hui, mais je parle il y a quelques années. El Massini pour Courdou. Alors psychologiquement, ça c'est une possession importante pour l'installer. Pour les garder encore un peu dans le match. Naja. Pour Courdou. Est-ce qu'il va le sanctionner C'est compliqué. C'est compliqué. c'est très bien, très bien ce que fait Moraes. Voilà, tranquillement, on pose le jeu. On n'est pas loin de la fin. c'est Gonçalves qui tient le ballon. 19 points pour lui aujourd'hui. Et il va attaquer le cercle. Oh c'est encore une fois oh super pour le poignet du jeune Pedro. C'est un aller -oop. Mais il aura tout fait aujourd'hui. C'est un aller -oop. Il n'y a pas le dunk, mais c'est un aller -oop. Ça fait plus 10. Ça commence à sentir bon pour Pedro. Ah, Nacha à l'intérieur face à son meilleur ami. Et marcher, plaît Et on voit José Neto être heureux sur son banc. Enfin, il n'est pas du tout sur surtout, banc. Et surtout, regardez, regarde le chambrage. Regarde le chambrage de Richards. <laughs> González en double-double. 19 hein. points, il rebond, 5 passes. MVP de ce match pour l'instant. Et surtout, il aura placé le, pétard de la soirée et de la journée. Et Richard, il est en train de faire sortir les Marocains du match cette fois-ci. Un nouveau mismatch. Il est plus rapide que Gourdou. Il ressort. Carlos Moraes attend dedans. À une minute de la fin, c'est le panier qui va assassiner la Salé. E. Non, mais ce qu'ils font tactiquement, c'est excellent. Systématiquement, ils vont provoquer un switch entre joueurs et on profite du mismatch. Soit intérieur, soit extérieur. ce 3 points qui fait mal. Hein. Ouais, il est. Ouais. Peut-être le dernier clou. Ce... Oui, bah, il reste moins Oui, oui, C'est dommage. Mais je crois que ça commence à sentir très très très bon. Allez, on demande une prise à deux. On va essayer d'amener la balle jusqu'au bout de la possession, voilà. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt du tout, Richard. Non, mais il y avait un relais à faire avec Scott avant que le ballon ne parvienne à Richard. Mais on n'y croit plus. Un hein. côté salé, ça y est, ça balance des bouteilles. C'est. C'est terrible. Mais c'est aussi la loi du sport, l'écran de Courdou. Stoglin. Oh là, il y avait peut-être quelque chose au départ de l'action quand même, à un moment donné. ça l'amuse. Hein. Il aura fait un match encore impressionnant, Terrell Stoglin. Il va peut-être atteindre la barre des 30 points. Euh, au, scoring, oui. Ah au scoring, oui. en défense, il n'a pas été présent et il a fait beaucoup de mauvais choix sur le plan tactique. à part des 30 points après avoir atteint celle des 40 un peu plus tôt dans la semaine. c'est sûr, c'est le, meilleur marqueur du, tournoi, ça c'est sûr. Mais bon, il n'a pas fait que les bons choix ce soir, Terrell Stoglin. À ah, 32. Euh, non, non, on repart dans le direct. On repart dans le direct. Gonsalves. Antoine Scott. Et on va commettre la faute quand même. d'arrêter le chrono, pour essayer d'avoir une possession après les lancers. Et on essaie de calmer Antoine Scott. il n'y a, pas, à s'énerver. Il pas du tout besoin de s'énerver. Moins de 25 secondes de la fin du match. Pourquoi s'énerver On rappelle déjà ce Sobli. Oui, sur la prochaine possession. Essayer de scorer. Premier lancé manqué par Stoglin, par euh, Antoine Scott. J'étais en train de me retourner derrière pour ah, regarder. Je le, disais, Pourquoi il fait un tour sur le banc pour revenir Parce que sur la phase défensive, on sait qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Allez, 27 dernières secondes dans ce deuxième quart, quart de finale pardon, de, de la journée. Naja qui va peut-être aller jusqu'au bout. Non, non, non, non, il y aura une faute d'Antoine Scott <laughs> Scott, il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Il reste 20 secondes, ils ont 10 points d'avance, mais il ne lâche pas l'affaire. C'est ça aussi, hein, être compétitif. 19 points pour Gonsalves, 17 pour Moraes, 17 pour Paolo. Regardez ce que je vous disais. Hein. Sur la prochaine possession, El Massini va rentrer, Stoglin dehors, en espérant avoir une dernière possession. Ouais. En tout cas, il va falloir plus d'une possession pour égaliser. Non, mais bon, s'il peut rester meilleur marqueur du tournoi, pourquoi pas on revoit tout à l'heure le shoot à trois points Carlos Moraes, celui le coup de poignard. Ça c'est le coup de poignard et qui envoie ses son infection au public qui aujourd'hui est très clairement pour Petro. On leur a couru. Ils n'ont surtout pas renié leur basket quand les Marocains sont revenus. Eux, ils ont continué de jouer ensemble. Ils ne se sont pas régnés et l'adresse, elle est revenue au bon moment. Ils auront été patients. Très patients aujourd'hui, les Angolais. Une vertu qui se perd, malheureusement. Surtout, ils auront su vraiment être, euh, on va dire, être clairvoyants quand Salé revenait, ils ont réussi à garder leurs esprits, ce que Salé n'a pas réussi à faire. Et ah, qui va aller jusqu'au bout. Bon, voilà qui va faire du bien. Allez, il faut faire faute. Antoine Scott. Bon, Gonsalves. Et il y a peut-être l'interception. L'interception. 5 secondes, mais là ça va être beaucoup trop compliqué. Stoglin, pour On Ballon volé par Scott. Et là, je crois que c'est définitivement terminé, Malik. Alors, la, question, c'est est-ce qu'il la joue cette possession ou pas <laughs> De toute façon, est-ce qu'il la joue, est-ce qu'il la joue pas Ils n'ont pas beaucoup de temps pour la jouer, donc autant ne pas la jouer. Stoglin, qui ne va même pas shooter et qui se prennent dans les bras avec Carlos Moraes, avec Ryan Richards. C'est une performance. Eh ben, nous connaissons la suite et le verdict de cette euh, partie. Euh, Cédina 79-72 en faveur de Petro de Luanda qui a su garder son sang-froid lors du quatrième carton et ne pas craquer malgré une bonne remontée de l'AS Salé euh, durant le troisième carton et une continuité de l'AS Salé pendant le quatrième carton. Mais à un moment donné, ils ont retrouvé leur marque et ils ont pu marquer euh, des points comme il fallait, Cédina. En Oui, Eugène, euh, comme tu dis, c'était assez dans le troisième Mais au final, le de Luanda à, terminer le match comme il l'avait dit, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue et surtout en étant décisif sur les secteurs du jeu où ils sont beaucoup plus lucides que l'Aïs Et comme tu as dit, il fallait rester lucide et surtout ne pas s'exciter après être revenu. Vous êtes toujours trop dépensé en énergie pour revenir au sport et c'est ce qui dévie vers la fin du match. C'est à l'usure finalement que le pétrole de Luanda remporte. Euh, ce match est se pour les NBA Africa League Tout à fait, euh, Cheikh, on voit une victoire de cette équipe du, de Luanda sur euh, l'AS Salé. Euh, comme Cédina l'a dit, il faut garder son sang-froid. Et on a vu un jeune pivot de cette équipe de Salé qui s'excitait, qui allait mhm. après les arbitres. C'est une manière de se déconcentrer et ça joue obligatoirement contre toute, toute son équipe. Et ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Euh, donc euh, finalement, on voit que le métier paye, que la maturité paye, que cette équipe de Luanda confirme euh, qu'ils sont des, des, basketteurs africains d'un autre niveau et leur sang-froid, leur calme malgré le fait qu'ils étaient en train de couler et ils ont quand même gardé la tête sur les épaules pour finir ce match euh, en beauté puisqu'ils gagnent 79-72. Euh, ouais, effectivement, je ne suis pas surpris euh, des victoires de, de l'équipe angolaise qui, qui ont vraiment tenu leur résistance du début jusqu'à la fin. Et il y a des moments où ils ont ils ont perdu le contrôle du match, mais ils se sont ressaisis à la fin à reconnaître que l'équipe marocaine vraiment a eu l'occasion vraiment de changer le mode de jeu. Comme tu l'as bien dit, il y avait beaucoup de distractions venant des joueurs et ça peut beaucoup distraire le match. Euh, et, l'équipe a mis, a mis des trois points dans un temps très critical dans le match, euh, comme on l'a vu le numéro 33, euh, le meilleur joueur d'ailleurs. Carlos Moraes de Luanda, de Petro, et Petro Luanda des Angolas Angola, il a marqué 17 points. Euh, il a mis trois rebonds et c'est un joueur vraiment qui qui a fait le ton quoi. Il a montré le ton et puis ça donne euh, euh, la confiance au reste de, de ses coéquipiers de, de, vraiment venir mettre les paquets pour l'équipe. Euh, c'est ce qu'on a vu avec euh, l'équipe aujourd'hui. Euh, à vraiment reconnaître que l'équipe marocaine a salé, a mouillé les maillots et le numéro 41 qui d'ailleurs <laughs> au quatrième carton, troisième carton voulait vraiment changer le rythme du jeu à, sa manière comme il a fait dans les, les, matchs précédents avant le dernier match contre la même équipe. Mais c'était pas le cas. Il a été aussi euh, distrait un peu parce que euh, tu peux pas faire tout en toute seule. Euh, le match c'est un jeu de comment dire, c'est un jeu de euh, passe-passe. Il faut c'est un jeu de communication entre vous les joueurs. Si tu veux jouer ce que tu as, tu, penses que c'est quelque chose, ça va pas marcher à ton faveur. C'est ce qu'on a fait. On a vu la dernière fois, la dernière minute du match, on l'a vu en train, on a avec la balle. Il, il forçait, il forçait beaucoup. Il, moment même, a, il a il a pris la balle, il est rentré avec trois personnes au-dessus du cerceau et, il a cogné les gens, on a, on a appelé faute, il a, il a perdu la balle, la balle était redonnée à l'équipe euh, Luanda, euh, de l'Angola donc euh, c'est une équipe vraiment qui qui a beaucoup d'atouts à reconnaître vraiment quand même vraiment qui sont qui se sont battus du, début jusqu'à la fin. Et, mais c'est l'équipe euh, Petro de Luanda qui a finalement remporté cette victoire. On va les ils vont peut-être rencontrer un autre pays Maghreb. Euh, ils rencontrent le Zamalek les pour, demi-finale. Ça va être un, match très très très disputé. Donc euh, ça va être un match très disputé. Donc ils ont battu un pays Maghreb. Tu vois mais les pays Maghreb toutes les trois sont dans les quarts de finale et demi de finale. Ça veut dire que les pays Maghreb pas dire les dernier mot dans les baskets en Afrique. Parce que dans les, même dans les afro-baskets, c'est qui sont dans les 3-4 euh, favoris du, final, hein, euh, les, les, 4, les 4, 5 dernières années en Afrique. Donc c'est pas fini, euh, on va, on va avoir les matchs demain des Patriotes. on a à peu près deux minutes avant qu'on De Toutes les façons, juste rapidement, donc on voit qu'après trois cartons, le match est à égalité et c'est à ce quatrième carton que tout s'est joué, 24 à 17, 7 points d'écart. Donc cette euh, équipe euh, de, de Petro de Luanda est qualifiée pour la demi-finale qui se jouera contre euh, qu'ils joueront contre le Zamalek d'Égypte samedi. demain, nous aurons deux matchs qui vont se suivre qui vont se suivre l'un après l'autre. L'Union monastirienne, l'équipe favorite de ce championnat, hmm. qui va retrouver euh, l'association sportive des douanes, l'équipe euh, de notre très cher frère Sedina à Bagué. Ça va pas être une partie de plaisir, Sedina. Euh, hein. en 10 secondes, donne ton point de vue. Ça va être très chaud demain. Il va falloir que le coach des douanes fasse un travail supérieur. Oui, il va falloir qu'il fasse euh, un travail supérieur et surtout il va falloir qu'il euh, pense à compenser son secteur intérieur parce que, comme je le rappelle, la douane a misé sur un small ball Houston des trois dernières années. Mais on a vu que dans ce NBA Basketball africain pour gagner et pour s'imposer, il faut avoir un secteur intérieur pour lui. Ce qui n'est pas le cas de la douane. Lors des deux premiers matchs, ils ont utilisé Mohamed Lamine comme poste 5. Mhm. Et ça a montré que lors du dernier match, ils ont, mis mis Ahmed Acha Hassan au poste 5, mais après 16 minutes, il était carrément cramé parce que physiquement, il n'est pas très au point. En tout cas, il ne peut pas enchaîner les cartons. Donc, euh, la principale équation de la douane face à ce géant d'Afrique qui est le monastère, c'est le secteur intérieur, je pense. Tout à fait. Donc, demain à 17h30 local, 16h30 de Kinshasa, 15h30 euh, de Dakar, ce match aura lieu. Nous invitons tous les auditeurs de Dakar de suivre ce match avec beaucoup de passion, car c'est leur équipe quand même qui représente euh, leur pays à la Ligue africaine de basketball. Ce match sera suivi ensuite par les Patriots Basketball Club de Kigali au Rwanda, pays hôte de cette compétition, à cette euh, merveilleuse équipe de Foravario de Maputo. Ce match aura lieu à 21h heure locale, 20h de Kinshasa et 19h heure de Kigali. Depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington, Eugène Pewa Pelema rejoint par Cheikh Chero et depuis Dakar, euh, Abagé, euh, nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous euh, demain pour ces deux matchs qui sont qui vont déterminer les deux autres demi-finalistes. Rappelons-le que lors de la première demi-finale, nous avons le Zamalek contre euh, euh, l'équipe de Petro de Luanda, euh, depuis Washington DC, depuis ah. Dakar. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Et nous vous invitons à suivre les deux matchs de demain car nous aurons un très grand match. À demain. Bonne nuit à tous nos auditeurs. C'était l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. This is VOA Africa. <laughs>